Fidèles auditeurs du studio Kalangou, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous de la mi-journée Le Niger sur Kalangou. Pour vous accompagner aujourd'hui, je suis Rukaita Draman. À mes côtés, nous avons Ali Ousseini alias Seino du côté de la régie. Nous avons Mustapha Yuba et Adama Dawaki. Bonjour Seino, ça va Bonjour Ruki, ça va bien, alhamdulillah. Pour le programme d'aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons le flash d'information, la rubrique hebdomadaire, la page sport, la rubrique portrait, le loti du jour et de la musique 100% nigérienne. Oui, Rouk, euh, notre invité du jour est Kader, Il est sociologue de formation en genre et développement. Chers auditeurs, nous commençons cette émission avec le flash d'information présenté aujourd'hui par Tarnan Foudé Ahmed. Bonjour Tarnan. Bonjour Ruki, bonjour euh, Seno. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Voilà, les flashs euh, d'information de cette euh, matinée, nous commençons par le Premier ministre Ali Mohamed Laminzen qui a présidé les festivités de la 29e édition de la Journée nationale de la Concorde à Tintabaraden dans la région de Tawa. À l'occasion, il a rappelé que l'édition de cette année intervient dans un contexte de la sauvegarde de la patrie et de la lutte contre le terrorisme. C'est dans ce sens que le Premier ministre a appelé le peuple nigérien à garder son dignité et sa cohésion. Quand nous irons à Difa, une attaque a été perpétrée mardi par des présumés éléments de Boko Haram. L'attaque a visé les sites de travaux de réhabilitation de l'aménagement hydro-agricole de l'ADA dans la région de Difa un poste nouvellement créé pour la sécurisation des travaux des aménagements hydro-agricoles. Selon le gouverneur de la région, on dénombre cinq blessés au rang des forces de défense et de sécurité, dont quatre sont à l'infirmerie militaire et un autre à l'hôpital régional pour des soins appropriés. La localité de Kirtachi, visée il y a quelques semaines par des individus armés non identifiés, la garde nationale du Niger vient de doter cette localité avec euh, un élément militaire à la valeur d'une compagnie pour la sécurisation des personnes et de leurs biens, a rapporté les bulletins hebdomadaires de l'armée. C'est tout pour ces flashs. Merci Tarnan pour toutes ces informations. Euh, je le disais tantôt que notre invité du jour est Abdulkader, il est sociologue de formation en genre et développement. Bonjour Kader. Bonjour Monsieur Seni. Bienvenue euh, dans l'émission Le Niger sur Kalangou et avec vous, on va parler de l'impact des initiatives entrepreneuriales dirigées par les femmes au Niger. Avant de commencer les discussions avec vous, Abdelkader, nous allons d'abord partir en musique pour écouter le titre Espoir du groupe Ones. C'est les de la vie. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de torture, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de torture, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin le jour se lève, je me lève comme les heures se relèvent. Assidu comme un élève, je tourne à ma nivelle. Mon avenir sur le parchemin, je me dois de le maintenir. Qui vivra verra la gloire de qui sera la nuit. Ma destinée, c'est ce que je vis, c'est ce que je modifie. Garde toujours espoir pour un meilleur lendemain. Lentement et sûrement, on ne la pas de tortue. Ayant toujours peur de l'avenir, de l'inconnu. Demain, un autre jour, lève-toi, ta canne et marche devant toi, c'est ton jour. tiens, blessure bless your Give the higher night. My Jesus is my love my cup in my God. For you for night. jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain évolue à pas de tortue, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de tortue, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Bon on se lève, bouge ton tard on se lève avec lui. Pas de paresse, celui qui traîne, il le laisse. Jour et nuit s'enchaînent, maintenant faut que tu t'imposes. Pour un lendemain morose, il faut que tu te contrôles. Confessionne-toi le titre Espoir du groupe Onnes est un véritable hymne de la résilience et de la détermination Fredo et Roxim nous offrent une plongée captivante dans leurs univers, mélangés des paroles profondes à des rythmes percutants. Leur message d'espoir résonne avec force et authenticité, inspirant chacun à croire en un avenir meilleur malgré les défis. Et oui, ces morceaux témoignent du talent incontestable euh, de ces deux jeunes rappeurs nigériens et de leur capacité à transmettre des émotions universelles à travers leur musique. Espoir est bien plus qu'une chanson, c'est un cri de cœur qui ne manquera pas de toucher et d'inspirer euh, un large public. On se demande si on est sur le droit chemin. Hey, prends ça point conseil, man. Jour et nuit s'enchaînent, la vie c'est une chaîne, man. Garde espoir pour ta destinée, baisse pas la culotte, man. À cœur voyant tout s'accomplit. Tiens! T'as le droit de te poser des questions sur ton sort. T'as le droit de te poser des questions sur ta conduite. Comme je te de ce que sera ton lendemain. Ne baisse pas la culotte, ta vaillant, tout s'accomplit. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de tortue, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de tortue, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de tortue, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de tortue, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. C'était Espoir du groupe Onens. Après cette pause musicale, chers auditeurs, retour au studio avec notre invité Abdelkader, sociologue de formation en genre et développement. Rebonjour. Bonjour, madame. <laughs> Alors, selon vous, et quels sont les principaux défis auxquels les femmes entrepreneurs sont confrontées dans les pays en développement euh, Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier sincèrement l'équipe du studio Kalangu pour l'invitation. Et avant de répondre à la question, il me plaît de vous rappeler un peu, sinon de, préciser un peu la nature de la société dans laquelle nous nous, trouvons. Hum. Nous sommes au Niger dans une société patriarcale où c'est généralement la loi, la loi de l'homme qui domine. Et lorsque dans une société patriarcale, on parle de l'entrepreneuriat des femmes, c'est tout à fait normal qu'on puisse euh, trouver des défis qui sont énormes pour les femmes. Et ces défis-là sont tellement nombreux que j'aimerais peut-être sélectionner deux ou trois défis. Mm. Donc, premièrement, la différenciation que les gens font entre l'homme et la femme, les problèmes sexistes. Parce que dans notre société, on considère toujours, malheureusement jusqu'à nos jours, on continue de considérer que la femme est ce qu'ils appellent entre griffes un sexe faible. Lorsqu'on dit un sexe faible, ça veut dire que la femme n'a pas et totalement les mêmes capacités, que ce soit physique, que ce soit aussi mental pour rentrer dans le même champ d'action que les hommes. Du coup, la discrimination continue même euh, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ça, c'est le, premier défi, notamment la discrimination qu'on fait euh, aux femmes. Le deuxième défi, c'est la difficulté que ces femmes-là ont d'accéder au financement. Parce que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, mhm. euh, la place du financement des partenaires est très importante dans l'entrepreneuriat. Malheureusement, les femmes rencontrent un sérieux problème dans l'acquisition de ces financements-là. Du fait tout simplement parce qu'elles sont femmes. Et troisièmement, ce troisième défi a un lien avec le deuxième défi, c'est le harcèlement sexuel. Aujourd'hui, nombreux sont les femmes qui sont découragées qui sont découragées de, de s'aventurer dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que tout simplement elles sont harcelées quand elles partent vers les partenaires, quand elles partent dans les services pour essayer d'avoir le financement. Beaucoup sont ceux qui leur proposent d'avoir des intimités avec ces dernières-là pour pouvoir les aider. Voilà en quelque sorte trois euh, défis auxquels ces femmes-là sont confrontées. Quatrièmement, pour finir rapidement, c'est que le climat, le climat surtout au Niger, n'est pas favorable à l'émancipation de l'entrepreneuriat des femmes du fait de certains pesanteurs culturels que nous allons voir euh, un peu plus devant dans les questions. D'accord. Alors, euh, Abdul Kader, euh, quel est l'impact économique direct des initiatives entrepreneuriales dirigées par des femmes euh, dans ces pays L'impact économique, bien, elle est claire. Hein? L'impact est clair parce que il faut tout simplement vous demander les femmes. Dans notre cas ici au Niger, sinon en Afrique, dans les pays en développement, les femmes ont constitue le pourcentage le plus élevé de la population. Et lorsque ce pourcentage le plus élevé là n'est pas actif, je vous dis clairement que eh, nous ne pouvons pas aller vers l'avant économiquement. Et lorsque ce pourcentage-là qui est élevé, notamment les femmes, sont actives dans le domaine de l'entrepreneuriat, l'impact économique, est clair. Notamment à travers la création des emplois, à leur façon, parce que les femmes ont leur propre façon et eh, des d'apprivoiser l'économie. Ils ont leur propre façon de créer des emplois qui est différente de celui des hommes. Mhm. Donc, notamment la création des emplois, les opportunités que ça offre et surtout la voix que ça donne aux femmes. Parce que quand une femme devient entrepreneur, quand elle a ses propres moyens, elle devient autonome et du coup, elle devient libre et elle a la voix au chapitre. Elle peut dire ce qu'elle pense sur toutes les questions qui touchent l'économie du pays. Mhm. Et Abdelkader, comment ces initiatives des femmes contribuent-elles au développement communautaire et à la réduction des inégalités. Euh, je viens de le dire, hein, lorsque les femmes sont entrepreneurs, quand elles arrivent à mhm. avoir leurs propres moyens, elles créent des emplois. Et lorsqu'on crée des emplois dans une société, dans une communauté, lorsqu'on donne la chance à des jeunes d'avoir des boulots dans une société, euh, on développe, on rehausse le développement communautaire. Et la réduction des inégalités, c'est tel que parce que nous sommes, euh, les inégalités s'observent dans nos sociétés parce que nous nous sommes habitués à voir la femme comme un être dépendante, qui dépend toujours de l'homme, que l'homme prend en charge. C'est pourquoi souvent on ne les considère pas, on ne les donne pas les mêmes droits que les hommes. Mais lorsque les femmes, en faisant, en, allant vers l'entrepreneuriat, arrivent à avoir leur liberté économique, arrivent à avoir leurs propres activités à faire, les, les inégalités vont être réduites. Parce que tout simplement, quand tu ne prends pas en charge quelqu'un, quand tu ne lui donnes pas de quoi se nourrir, tu ne vas pas l'empêcher d'avoir la parole, tu ne vas pas l'empêcher aussi de s'engager comme tu t'engages. Du coup, Lorsque ces femmes-là arrivent vraiment à être des, chefs d'entreprise, les inégalités vont être réduites d'elles-mêmes. Hmm. D'accord. Alors, euh, dites-nous, euh, existe il des exemples de réussite ou euh, d'initiatives particulièrement inspirantes dirigées par des femmes entrepreneurs dans votre domaine d'études En Afrique, hein, en Afrique de tout temps, il a existé des femmes, des femmes modèles J'aimerais commencer par les Nana Les Nana depuis les années 80, 70, 80, les Nana Benz ont montré à la face du monde que la femme africaine est capable. Les Nana Benz. Les en <laughs> fait, c'était des femmes mm. euh, d'origine togolaise qui à travers le commerce de wax, les pagnes-là que les mm. femmes font ah. de wax, partaient au Ghana prendre ces pagnes-là et revenir les vendre un peu partout en Afrique. Et pratiquement jusque-là, elles sont considérées comme les premières femmes millionnaires, sinon milliardaires en Afrique. Mm. Mm. Parce que leur surnom Nana Benz provient du, véhicule Mercedes-Benz La marque, vous connaissez. Mm. Mercedes-Benz. parce, que, oui, <laughs> parce que quand elles ont l'air euh, les millions, les milliards, hein, c'est des femmes qui ne se gênent pas. Elles s'achètent euh, des, véhicules des belles de maisons, luxe. Des belles maisons de luxe, <laughs> des véhicules de luxe. Et elles sont considérées comme les premières femmes à commencer à rouler dans des Mercedes-Benz. Voilà pourquoi on les appelait les Nana Benz. C'est des femmes qui ont révolutionné le domaine du commerce, de l'entrepreneuriat, pour montrer aux hommes que, en réalité, même nous, les femmes, nous avons notre place dans ce domaine-là et nous pouvons même faire mieux que vous. Mhm. En dehors des Nana toujours, parce que les Nana je vous ai dit, c'était dans les années 80. Actuellement, il y a les femmes qu'on appelle les nanettes. Les nanettes se considèrent comme étant les héritières, les dignes héritières des Nana Elles aussi, actuellement, elles dominent le marché des pagnes au niveau de Ghana et du Togo. Quand on va revenir dans nos, dans nos pays, eh, les, exemples de succès sont nombreux. Quand vous prenez eh, au Niger, ici à Niamey, avec la litière du, Non, pas la litière du Sahel, Niger La promotrice, mhm. c'est une femme. C'est un exemple de réussite. Quand vous prenez eh, Mata et Matasa Invest, la directrice, c'est aussi une femme. Mhm. Quand vous prenez, même dans le cas de l'entrepreneuriat social, parce qu'il y a aussi l'entrepreneuriat social à travers les, associations et les ONG. Des ONG comme ONG FAD, c'est des femmes qui sont les promotrices, c'est des femmes qui sont les dirigeantes. Et c'est des femmes qui nous montrent qu'en réalité, aujourd'hui, dans le monde des affaires, il n'y a pas une place pour les hommes à part et une place pour les femmes à mm. part. Mhm. Toutes les deux, tous les deux, la femme et l'homme peuvent vraiment et s'aventurer et réussir dans ces domaines-là. Mm. Et Abdelkader, une dernière question avant euh, de revenir avec la deuxième partie. Et quels sont les facteurs clés qui peuvent influencer la croissance et la durabilité des entreprises dirigées par des femmes dans les contextes économiques et sociaux des, pays en développement. Vous savez, les pays en développement, le principal problème que nous rencontrons, c'est ces inégalités-là dont nous venons de parler entre mhm. euh, les hommes et les femmes, et la discrimination et la marginalisation des femmes. Si nous voulons, si nos États veulent vraiment à que eh, les entreprises non dirigées par des femmes <coughs> puissent être pérennes, puisqu'il faut que nous revenons pour lutter contre ces inégalités-là. Il faut que nous offrons les mêmes chances, les mêmes opportunités aux femmes et aux hommes. Il faut aussi que nous garantissons un climat serein, un climat apaisé pour les femmes. Il ne faut pas que la femme, en voulant s'engager de l'entrepreneuriat, puisse se dire que bon, je vais être harcelée sexuellement, je vais être mal vue par la société. Il faut que nous luttons contre tous ces obstacles-là pour permettre à ce que les entreprises dirigées par les femmes puissent vraiment être pérennes et contribuer au développement de nos pays. D'accord, Abdelkader. Alors, euh, dans dans cette première partie, on retient quand même que, vous l'avez si bien évoqué, euh, il y a ce pourcentage euh, élevé des femmes qui, normalement aussi, doivent avoir l'accès euh, dans le domaine voilà, au financement pour entreprendre. Cela va impacter l'économie d'une manière générale. Vous avez parlé également de l'harcèlement. Voilà, nous sommes dans une société, vous l'avez dit, patriarcale, où, en tout cas, la chance n'est pas trop donnée à la femme et également le sexisme. Avant de continuer, nous allons euh, prendre une pause musicale euh, avec euh, cette chanson Nya de l'orchestre Orco 5. Et oui, Urko 5 est un joyau de la culture nigérienne illuminant les scènes de Niamey, de son éclat musical et de sa richesse linguistique en germain. Sinon, leur talent dépasse les frontières, propageant la beauté et la diversité de la langue nigérienne au-delà des horizons. Leur dévouement à préserver et à promouvoir la langue et les traditions zarma est une source d'inspiration renforçant l'identité culturelle du Niger en célébrant son héritage avec passion et excellence. kepada ibadah sigas Eh oui, chers auditeurs, c'était là le titre gna de l'orchestre Orco 5. Nous sommes de retour avec notre invité. Euh, il s'agit de Abdul Kader. Je rappelle qu'il est sociologue de formation en genre et développement. Alors, Abdul Kader, comment le gouvernement et les organisations internationales peuvent-ils soutenir efficacement l'entrepreneuriat féminin euh, pour favoriser la croissance économique et le développement durable euh, Merci, c'est nous la première des choses que le gouvernement et les organisations internationales peuvent faire pour aider l'entrepreneuriat des femmes, d'abord, c'est de lutter efficacement contre les inégalités dans tous les domaines. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, le gouvernement doit jouer sur ce qu'on appelle la discrimination positive. La discrimination positive, c'est une discrimination qu'on fait pour ramener l'homme et la femme au même pied d'égalité. C'est-à-dire que eh, s'il y a des aides qui sont prévues pour les entreprises, il faut que le gouvernement, à travers cette discrimination positive-là, mm. puisse donner la priorité aux entreprises dirigées par les femmes. Par exemple, quand toi, chez nous, tu as une entreprise qui peut être aidée à hauteur d'un million, il faut que quand ta soeur va proposer, elle aussi, une entreprise pour être financée, il faut que ça soit financé à hauteur de 2 ou 3 millions. Mm-hmm. Ce n'est pas, en fait, un problème, mais c'est une discrimination positive pour l'encourager, mm-hmm. pour encourager la femme à aller vers l'entrepreneuriat. Deuxièmement, c'est le gouvernement et les organisations internationales doivent créer un espace plus sûr, plus sécurisé pour la femme. Il faut que... Euh, la législation dans le cadre de la lutte contre le harcèlement sexuel et autres puisse être vraiment renforcée. Il faut que la femme se dise que bon, elle est libre et elle est en sécurité de s'aventurer dans tous les domaines qu'elle veut. Et même quand ça arrive, qu'on porte atteinte à sa dignité à travers le harcèlement ou autre, il faut qu'elle se dise que vraiment la législation prévue des sanctions qui sont à la hauteur du crime commis à son égard. Quand elle hmm. va beaucoup plus se sentir en sécurité, hmm. elle va s'intéresser à l'entrepreneuriat. Et pour finir, hein, le gouvernement et les, organisations internationales doivent tout faire pour insérer dans les académique académiques, que ce soit au niveau de la femme ou de l'homme, des formations en entrepreneuriat, en mettant beaucoup plus l'accent sur les opportunités que le marché de l'entrepreneur offre à la femme. Parce que il n'est pas rare hein, de voir des filles, des femmes qui ont des idées, qui veulent entreprendre, mais qui se demandent comment, par où je vais commencer, par où je vais finir, pourquoi je vais entreprendre, dans quel domaine je vais entreprendre. Hmm. Et Abdelkader, quel rôle jouent les réseaux de soutien et les programmes de mentorat dans l'autonomisation des femmes entrepreneurs et surtout la promotion de leur réussite économique Les réseaux de soutien, leur rôle principal, c'est vraiment de de faire en sorte que la femme puisse prendre confiance en elle-même. Parce que qu'il mmh. y a ce manque de confiance-là. Je vous ai dit que nous sommes dans une société patriarcale où dès l'enfance, on, inculque à la fille, à la jeune fille, qu'elle n'est pas l'égale de l'homme, elle est inférieure à l'homme, mmh. qu'elle ne peut pas faire ce que l'homme fait, que là où l'homme réussit, la femme va échouer. Mmh. Donc ces réseaux de soutien-là, leur principal rôle, c'est vraiment d'amener les femmes à prendre confiance d'elles-mêmes, à se dire que partout où les hommes peuvent réussir, je peux réussir, à se dire que j'ai les mêmes capacités que mhm. ce soit physique ou intellectuel que les hommes. Du coup, j'ai aussi le droit de m'aventurer dans ce domaine là qu'on réserve aux hommes pour mhm. réussir. Et aussi, c'est d'accompagner ces femmes-là dans leurs euh, idées, dans leurs idées. Quand une femme a des idées entrepreneuriales, il faut l'accompagner, il faut l'encadrer, il faut lui montrer la voie. Hmm. Alors, euh, ce qui m'amène euh, à, la prochaine question. Comment mesurez-vous l'impact à long terme des initiatives entrepreneuriales dirigées par des femmes sur la croissance économique et le développement communautaire sur l'impact hein, économique euh, mm. des entreprises dirigées par, les femmes. Mm. Sur le long terme, ça va être vraiment appréciable. Pourquoi Parce que ça va vouloir dire que à côté des hommes qui entreprennent, il y a aussi des femmes qui entreprennent. Le même nombre d'emplois que ces hommes-là peuvent créer à travers leur entreprise, les entreprises aussi dirigées par les femmes peuvent eux aussi créer ce même nombre d'emplois-là. Ça veut dire que dès là, on va pouvoir engager beaucoup plus de jeunes qui n'ont pas de, boulot et donc l'impact, elle est claire. Deuxièmement, ça va vouloir aussi dire qu'une majeure partie de la population qui est la femme est aussi active. Qu'elle est active et elle peut elle active et elle peut vraiment contribuer au développement de, notre communauté. Mhm. Et est-ce qu'il y a des aspects culturels ou sociaux spécifiques qui peuvent avoir euh, de l'influence sur la manière dont les, femmes entrepreneurs sont perçues et soutenues dans les pays en développement Effectivement, dans la plupart des pays en développement, hein, les sociétés sont des sociétés patriarcales, comme je l'avais dit. Donc il y a des pesanteurs, des pesanteurs sociaux, culturels et même religieuses qui sont là. Parce que quand vous prenez socialement, quand vous prenez socialement, on nous dit que eh, la femme, elle n'est pas l'égale de l'homme. La femme, elle est inférieure à l'homme. Du coup, on n'encourage pas la femme. On lui dit, bon, écoute, toi, tes filles, quand tu arrives, c'est avoir un bon mari, fonder ton foyer et puis prendre soin de l'éducation des enfants. On ne l'encourage pas à aller vers et l'entrepreneuriat. Il y a aussi la religion, la religion qui nous dit que, bon, écoutez, la place des femmes, c'est dans le foyer. Il ne faut pas que la femme s'aventure dehors sur le terrain, et dominée par les hommes. Donc, il y a ces pesanteurs sociaux et culturels-là qui vraiment freinent souvent l'engagement des femmes dans l'entrepreneuriat. Alors, merci infiniment, Abdul Kader euh, d'avoir euh, non seulement répondu présent à notre invitation, mais euh, aussi d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous vous souhaitons une excellente journée. À la prochaine. Merci, merci beaucoup, Seno. Merci, Ruki. Ruki, on prend une petite pause et on revient juste après. Ah oui. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, Place à présent à notre rubrique hebdomadaire de ce jeudi 25 avril 2024 qui porte sur le village intelligent. Oui, c'est non. Il faut noter que l'État du Niger, à travers son ministère en charge des postes et télécommunications, a initié le projet Village intelligent pour soutenir les efforts de croissance dans les secteurs clés tels que l'agriculture, la santé et l'accès aux services finances pour le bien-être des populations il y a déjà plusieurs années. Madame Souley Hawa de Lancy nous édifie sur le projet Village intelligent au Niger. Elle est interrogée par Ali Niali Abdulmoumouni. Madame, qu'est-ce que c'est qu'un village intelligent ou un centre numérique Ce sont des écosystèmes, des aménagements où les personnes au niveau des localités peuvent bénéficier des services financiers, c'est des formations en informatique, alphabétisation numérique, éducation financière, de façon à renforcer leurs capacités pour qu'ils comprennent les enjeux du numérique et aussi qu'ils maîtrisent la finance numérique. Parce qu'aujourd'hui, on veut atteindre un niveau d'inclusion financière élevé. Qu'est-ce qu'il faut pour atteindre ce niveau d'inclusion financière Pour créer un écosystème au niveau local, à travers ces localités-là, où on facilite l'accès à ces personnes-là. Parce que pendant tout ce temps, elles, ont été exclues des, systèmes financiers à cause du fait que les banques ne peuvent pas s'ériger partout. Aujourd'hui, on a une opportunité, c'est le mobile money. Donc, on crée un écosystème local où les personnes peuvent aller bénéficier des services de mobile money qui ont des fonctionnalités de base d'un compte bancaire. Donc chacun aujourd'hui au Niger, s'il a accès aux services de mobile money, peut créer son compte gérer son argent avec toutes les commodités que ça donne d'avoir un compte bancaire parce que ce sont des fonctionnalités similaires au compte bancaire. Quel est le niveau d'exécution du projet Village Intelligent et les résultats obtenus Aujourd'hui, au niveau du projet Village Intelligent, nous avons mis en place 113 centres numériques. C'est un effectif de 150 qui est prévu. Le projet a lancé une vaste campagne d'alphabétisation numérique et éducation financière. Actuellement, il y a 38 000 bénéficiaires qui ont reçu cette formation. Et dans le cadre de cette formation, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est renforcement de capacité, connaître le mobile money, connaître l'utilisation du téléphone et quels sont les risques qui sont adossés à cette utilisation. Parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de risques. Mais plus on sensibilise, plus les populations prennent conscience et puis vont faire une utilisation responsable de ces outils-là et mieux gérer au quotidien leur activité. Aussi, il y a dans le cadre de la connectivité, le projet prévoit de connecter 2175 villages à l'Internet, au réseau de téléphonie mobile. Et actuellement, il y a déjà plus de 300 villages qui ont été connectés dans le cadre de ce projet. Est-ce qu'une adhésion des populations nigériennes à ce projet est visible aujourd'hui. Effectivement, il y a plusieurs missions qui ont été conduites sur le terrain, notamment une mission parlementaire avec les autres organes des départements de l'État ont été sur le terrain pour constater des visu. Et effectivement, on peut voir le changement qui a été apporté grâce aux initiatives du projet PVI. Ce sont des populations qu'on a rencontrées qui, avant, n'avaient pas de connexion au réseau. Certains nous expliquaient qu'ils parcouraient peut-être 3 km, 6 km pour aller, pour avoir les réseaux, pouvoir appeler leurs proches. Aujourd'hui, ils sont chez eux, ils arrivent à communiquer avec leurs proches, ils arrivent à faire du mobile money, à transférer de l'argent. Nous avons rencontré des femmes qui comprennent mieux aujourd'hui comment elles peuvent utiliser le mobile money pour gérer leur activité, qui comprennent comment ils peuvent améliorer déjà leur gestion quotidienne parce qu'on leur apprend des notions de base de la finance, de la gestion de leur activité, c'est quoi les crédits, c'est quoi les dépôts, les budgets, autres. Donc vraiment, ce sont des personnes qui ont reçu de la connaissance et qui la mettent à en pratique dans leur activité quotidienne. Et c'est ça en fait l'objet, comme vous avez vu, le projet Village Intelligent pour la croissance rurale. Donc on cherche à créer un certain développement économique. Et ça, ça passe par la connaissance, par le renforcement des capacités. C'était là la rubrique hebdomadaire éducation numérique marquant à présent une pause musicale pour écouter Koudi Mota de la formation Black Daps. wai masoyayya ta take ba so na dama do kudi de mota Chega dangana ko bakin a za ka samu wanda za ka soka kashi ko zan sei, sei de se fase zan sei, sei de mota se, zan sei, ma ti jihize ai bin ba ka di kusunche, duku sunce duku sunce duku sunce sefa duku sunce duku sunce duku sunce sefa tu vois, la vie t'observe. Pas à pas tes actes suivants. Au moindre faux pas, chez toi, c'est la dérive. Alors avant que tes rêves deviennent cauchemars, tu dois te prévenir. Faut que tu saches, hein. l'argent ne fait pas le bonheur. Faut que tu Et eh oui, Black Daps euh, était indéniablement l'un des piliers du mouvement hip-hop au Niger avec euh, son influence s'étendant des années 2000 jusqu'en 2017. Koudi de Mota est un titre emblématique qui témoigne de leur capacité à aborder des problèmes sociaux avec une franchise brutale. À travers ce morceau Seno, le groupe dénonce le matérialisme excessif des filles dans la société nigérienne, offrant ainsi une critique percutante de la culture leur capacité à utiliser la musique comme un outil de sensibilisation sociale et leur héritage dans le paysage musical au Niger resteront à jamais gravés dans l'histoire du hip-hop africain. Et oui, voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien le titre Koudi de Mota, chanté par le groupe de rap Black Dabs. Il est 11h passé de 34 minutes. Si vous venez de, de nous rejoindre, vous n'avez rien raté. Vous pouvez tout hein, rattraper sur notre site web, le www. On passe à la rubrique Écho des régions. Oui, dans le département de Birninkoni, région de Tawa, les cas de viol augmentent selon le président du tribunal de la dite localité. oui, cette année, sur 20 euh, affaires qui seront jugées, 11 sont des cas de viol selon le président du tribunal de Birni Koni. Annonce faite mercredi 17 avril 2024 lors de l'ouverture de la session de la chambre criminelle qui durera 10 jours. Notre correspondant Haruna Ibrahim a assisté aux assises. Voici son reportage. A gundumar garin birnin Kwani matsalar fyaɗe na ci gaba da ƙara karuwa. duk da hukumomi da malamai na iyakar ƙoƙarin su don daƙile wannan ɗabi'ar ta fyaɗe. A cikin kes ashirin a shara'o'i na masu aikata mai luhuka da ake gabatarwa kes goma sha ɗaya duk na fyaɗe ne a cewar firizidan na taje na Kwani. A nashi ɓangaren prokirar na garin birnin Kwani ya ƙara ne da cewa domin yin kandagarki da wannan ɗabi'ar ta fyaɗe shine ya saka su kafi saka dose na fyaɗe domin ya zamo izina ga al'umma. Hwaɗe ya yi yawa a cikin karkaran na a cikin gunduman na Sai muna da matsala sosai. A cikin gida za ka ga yara ma ba su da kariya sosai. Duk inda sana samun matsala ana musu hwaɗe sosai. Idan shi yasa muka sa dosi da yawa na hwaɗe dan mutane su gani abun akwai matsala ne sosai kuma su sake halayen Su kuma waɗansu 'yan mata da aka taɓa cin zarafin su ta hanyar yi musu fyaɗen sun bayyana yadda abin ya faru da suwa. Kasan kowa bai wuce gaddarar rayuwarsa. An tura ni aiki wani gida in wata ya mutu to ana biya na kuɗi ina kawowa gida a cikin kuɗin ake so a tara a saya min kayan ɗaki na aure duk da na sha cin zarafi da musgunawa a cikin gidan kuma idan na zo gida na gai sai a ce in yi haƙuri komai mai hucewa ne wata ranar laraba da bani cewa. yan gidan sun yi tafiya a ranar dama maza uku ne a cikin gidan akwai ɗan masu gida tare da su da kuma wasu mutum biyu da suka zo daga ƙauye wajen karatu ina tsaka shara ne sai ɗan masu gidan ya ce in aje shara dai in dafa musu abu abinci na tafi zan fara abincin ya bi yana ta wasu dumumuwa na banza sai teku da ya dawo suka taho su uku sai suka zo suna ta min wasa dai na kyale su har ta kai ga sun kada ni ina ihu sai suka rike min baki in masu gidan shine ya ci zarafi na da kuka na tafi gida iyayena suka tai gidan suka gaya musu suka ce a rufe magana su za su sa ya aure ni na ji takaicin abin da ya faru na shiga wani halin da ban taɓa shiga irin shi ba sai da na kummace ma inda amma ban so duniyar ba kuma duk namijin da na gani takaici yake bani to mu bamu san akwai wannan kungiyar ba ana dora mini talla ina fita da ita da kai wanda nake kai wa yana siya to ko da yaushe da na doka gurin shi nake kaiwa ina kai mishi ko da yaushe iya sai iya ba almashirai sadaka to sai aka waye gari a lokacin da na ji ba kowa a gidan ina da a gidan kamar kango ne da daki daya a ciki ba a rufe shi ba daga baya kuma abin da ya faru dai ya je mini fadiyo abin da bai zo da kyawu ba sai da ya kwantar da ni har gida asibiti to gaskiya akwai kes din akwai kyara saboda mutane ba su dibin kaddarar da Allah ya dora ma mutum sai su dibin laifin ka ne don mutane da suna dibin kamar da san raina ne aka mini komai a gaskiya lokacin da abin ya same na ji na tsani ta da zaman duniyar ma da kuma maza ma ga baki ɗayan sama a gaskiya tunanin muka ko koda mun kai kara abin zai kara yaduwa saboda mutane kun suna ganin laifi na balantana kuma an kai kara abin kara yaduwa zai a duniya to mutane da yawa ana samu wa'anda in aka musu abin ma ba su wanga in kai kara saboda ganin suke ko sun kai kara kuma abin kamar tozarci zai zama gare su. A nata bangaren mamba a cikin kungiyar da ke yaƙi da cin zarafin ƴaƴa mata ta nuna cewa ƴaƴan talakawa ne aka fi yi ma fyaɗe a wannan yanki ƙarawa da cewa jahilci da tsadar rayuwa da ɓoyewa da iyaye ka yi na idan an yi ma 'ya'yansu fyaɗe. In kun ba duk wannan abin da ake ɗiyan talakawa ne ake ma. Akwai wuya ka ji an ce ɗan wani mai hali ko mai iko an kama ɗiyar shi an yi mata fyaɗe ko ƙauna shi. Duk abin da za a yi ɗan talaka na ake ma. Na faɗa muku akwai jahilci. talauci shine tsadar rayuwa tun da yau kama kana wajen cin rasa ka hayo moto dala hamsin ka koma ka hayo ka koma har kai wata uku kana zuwa kana koma kaga da nan wata rana gajiya za kai ka ce kai ka saki wata mace ma ba ta iya yin tsaye gaban mai iko ta magana da ta zo gaban mai iko an ka ta san mata magana da kuka za ta fashi ba duk mace ta za a samu wadda za a kai ta mashara'anta da tsaye ta magana hisbillahi mun sani akwai su da yawa wasu sai mun yi kare jini biri jini ma a hiddo magana ruhewa suke sai a ce kamar in an haɗi mace an yi haɗanta ba ta samun miji. C'est avec ce reportage des régions que nous allons prendre une petite pause. À tout de suite. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs et auditrices, nous poursuivons le rendez-vous de l'émission Le Niger sur Kalangou avec du sport. Et Adam Sariou, notre chroniqueur sportif du jour, est avec nous dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Ruki, bonjour Seno. Bonjour Adam. Alors Adam, euh, les femmes à l'honneur car nous débutons cette page sportive avec euh, le tournoi féminin Ottawa. C'est conformément aux directives de la Fédération nigérienne de football que l'Association régionale de football d'Ottawa, en collaboration avec la Direction régionale de l'éducation, organise ce tournoi de football interscolaire dénommé Tournoi de la femme. Ce tournoi se déroulera du 20 avril au 13 mai 2024. Cette compétition regroupe les équipes féminines des 10 établissements scolaires avec des joueuses de moins de 16 ans et, de, et moins de 19 ans. Nous allons tout simplement dire bonne chance à elle. Parlons à présent des huitièmes de finale de la Coupe nationale. Eh bien, comme nous l'avons annoncé sur nos antennes la semaine passée, les équipes qualifiées sont désormais connues pour les quarts de finale. Il s'agit de Jean Gorzo Football Club, tombeur de l'Olympique FC de Niamey, victoire acquise au but, l'Urana FC, Darlit, Union sportive de la Gendarmerie nationale, AS Garde nationale, le Sahel Sporting Club, le Liberté et Wombe FC. dernier et ce dernier a créé la surprise en éliminant l'AS Police de Niamey lors des séances de Turobit. Alors Adam, pour finir, parlons de la reprise de la Super League, notamment avec euh, le classement. Après la trêve du mois de Ramadan, le championnat national du Niger, la Super League, va reprendre ses journées ce samedi 27 avril. Rappelons que l'association sportive des forces, armées nigériennes, ISFAN, est leader du championnat avec 45 points et 5 points d'avance sur les deuxièmes respectivement l'AS Garde nationale et l'association sportive de, la Nigélec avec 40 points chacun. Et pour rappel, Victorien Zachary Adébayor de l'AS Garde Nationale est meilleur buteur avec 12 points. Et 12 buts, autant pour moi. C'est la fin de cette page sport. À demain pour un autre numéro. Merci Adam pour ces informations sportives. nous, on passe au portrait du jour. Oui, Ruki, le portrait d'aujourd'hui nous amène à la découverte de Mahmoud Mari, euh, un jeune en situation de handicap euh, de la commune de oui, il exerce comme métier le tissage des, chaises dans son village natal. Avec cette activité, Mamoudou Marie arrive à joindre les deux bouts. Son portrait avec euh, Mamanada. Mamudu Mari wani matashi ne mai shekaru 31 da ke rayuwa da nakasa a shekara ta 2021 ya ɗauki niyyar barin ƙauyen nasu inda an kaife sa domin ya je ya koyi aiki ya bayyana mana dalilin da yasa ya ɗauki wannan mataki. ni baran nan bata burge ni ba gaskiya Ci din ne nike gani na koma irin sana'an nan an fara koya mani a gudumariya kasan difa don uwana ya kai ni nyame na koya sana'a saga na kujeru na iya shi wacce na gadon ma na koya tun shekaru biyu mamudu mari na gudanar da aikinsa a cikin ƙauye a cikin wata runwa inda yake ɗinka kujeru kamar kowane aiki ana cin karo da wahaloli amma duk da haka yana samun ɗan abin da yake riƙewa ya koyi wannan aiki kuma yana koya ma matasa na ƙauyen nasu kan aiki da gare ni bai ishe ni ba in na samu yari zan yi shi gaba sha Allah ina haka ɗin ma yanzu yara sun zo guri na na fara koya yara kaɗan kaɗan da kauye da bangari da daban daban to shine na koma kauye yanzu kenan maraya din ma na samu mahal maraya din ma zan koma zamna yin yisa mai koya masa Muhammadu Lawali yana ganin matashi ne mai cike da niyya kuma yana bashi goyon baya ya kiraye ni tun yana ƙauyen su ce mini yana bukata ya zo ya koyi sana'a hannu saboda shi gwamma ya dogara da kanshi na ma uwayen shi alkawali zan kula da shi har dai ya koyi sana'a to alhamdulillah shi nan gaskiya yanzu ya koyi sana'a daidai gwalgwado ina taimaka ma kanshi da yan uwan shi wannan abun alfahari Fatuma Madu wata mai zuwa tana sayan kujeru a wajen Mamudu Mari ta bayyana jin daɗinta kan yadda yake aikin nasa. Ni ma na kai mishi kujeru Voilà, après ce portrait très inspirant, repartons euh, en musique pour retrouver le groupe La Calcanei avec le titre Adjapama qui veut dire bienvenue. Le rap de hip-hop m'attaque les pages. Je signe t'as apte avec le rap sur les pages de la dommage. Du hip-hop a rajouté une la naissance de la violence. Quelle que soit sa distance, quel que soit C'est qu'elle finance, comme tu le vois, mon ami, comme tu vois, mon ami. Des innocents Embrasse la reine, embrasse la guerre, embrasse la faim. Les véritables commanditaires de la chose, ceux qui commandent la bombe, ne peuvent même pas entendre le sifflement du seul balai pour ça. Afin qu'ils comptent ta vie, rien qu'on compte moi. Il my head, here my head, Il my head, in my head, bakashadebaya reka niba bitamba yaro de gore bate la santi de koshi zene ke sawake anani apula wa bambare kunyare awalla dabbo korko mi se jango pulani jam nyalli jam jam hire jam se janni walla se janni walla se janni janni walla daynay gafanku somali algérie rwanda libéria Zaire, wal congo albina kulmasara albina kulmasara albina kulma kulma kulma sara what do you say il wo la kalkana yo in the microphone sambu in the mic suban jamama mafa wa to hanne kiriga ni arando mutashi mukama juna musoma juna muroki allah ya ba mu sa'a mu ga allah ya ba mu lada mu samu abun da zamu ci da kan mu dan mu samu kan mu ci gaba mu mu tai gaba da kullu oui, chers auditeurs, euh, le groupe La a marqué l'histoire musicale du Niger dans les années 90 euh, en ouvrant la voie à une nouvelle génération d'artistes et de groupes de rap au Niger. Leur euh, polyvalence linguistique combinant le français, le zarman, le hausa et le fulfulde témoigne de leur engagement à toucher un large public et à célébrer la diversité culturelle du Niger monde de voir le pouvoir, pourquoi se croire en face des miroirs Depuis des siècles, le noir a toujours été fier, aucun souci pour les terres qu'il a pu perdre. Ses conditions de vie ont été toujours amères, les mères de tous les continents sont noyées d'espoir pour mère. Beaucoup d'affaires à régler se satisfaire, aucune ère ne peut enterrer cette guerre, aucune paire de politiciens ne peut le faire, ce n'est pas la bonne affaire tant que peur. on n'a pas peur. Voilà, chers auditeurs, c'était là le titre Adjapama qui veut dire tout simplement bienvenue en langue fulfulde chanté par euh, l'ancien groupe de rap euh, au Niger. Il s'agit de La Kalkanei. Chers auditeurs, il est temps pour nous de découvrir le loti d'aujourd'hui. Alors, annoncer le nom du nouveau-né avant le baptême peut être mal vu selon certaines traditions. Euh, cela est aussi attribué à tort, et à, la, à tort à la religion musulmane pratiquée par euh, la plus grande partie de la population nigérienne. C'est sur ce sujet que Zainabou euh, Zainab Abdou et Rekia Arimi nous éclairent un peu plus. On les écoute. assalamu alaikum pourquoi si windo worano wa alaikum assalam hey kyoro furo ninno wai wai wai wallahi hun kundun gai gono matin goy kyora hmm, nisi babai amma ai nir koy sabu matano gogite mono ni funu zari sanko wara ai kyora lela ko ardai nai funu bino a hai kulai koy ga barka hey wati labari hannu ni binde wani nu ganan ni mu zari sanko wara ga windi wodi woni gicimbu amma hunkun zaro hin go gogore si ga hekulte wadin se no ani to nem za ka yi bo a ga cim. to ifo no ni do ise labari kunno si e ra. amma nigi bai haifu ifo ki ai se me ayus irson er zamani zai wai siga faham dainu ai ga faham fahaman dai se ni di wato kan irgo er zanka bai han hinno igi sintin gazanka ce dinga mayo koyin mu ba jirbi iye hayyan wabanda ni gate alhalira kan son za ku caka an dunginu igisin tinga ce dinga mayo yin mu bore gi su bai gidi gi bai su di. e ni oni go gidi kan hayo mante me ai yin woga bore him girna mai dir wani addina gananu a a kyoro wani wo manti kimino ni goga addina dana mai dan kirra ai man faham mante addini no ganji im ce dinga mayo kalce ba hane dumo im goida ce ba hano wani manti kimino wadin sai nawa ainihin sai kan nigo ga addina dana mai dan kira ni bai kan ba bifu na fa karawo te inda alfagafo aha to fahamin dai semi ni bai arsilam da igihin gazan ka mayo ke za a hawa na hayin waga mm. igihin mo imke ba hannu sosorandi wani mo binde irkwai da su ginda halisi matabbata ga sunna no ne igihin ga kebaite girbi iya hani kan ina kukiya hai aya wala hadisi kulno sino kan gane imsi keba sosorandi agin gite hanfoyen borasin da noru kan ga fegyo dai niga bai mo in ki kurana ra kan irkoi si hinga tinai kul da ke inga ta bon kan asi hinga gere ya dingani di mm. igi hinga ke sosorandi hal a mutunan kan boradu noru kan ga fegyo dai oh sohon faham ya dinga zagayen irwo ga hayedan ranu. aha ni faham ni bai hal arsilam tarayga ka irna mai dirwana aladai gono wadin seno hanfoyin irga haye dan cara an kan kanse ahima irmishe ga faham aimir haye ka carga tondi don dai gor funo wani yan kulu man na mare wadin seno ga bori burin cinga kwara kwara <laughs> ai sabu kan nay no bon san sanno bo da tali coro hay kan ai gihin ga teni sai dai noya to zaro go furugumu ai go to kero. Voilà, c'était là le loti offert par euh, le desk femme du studio Kalangu. À présent, poursuivons avec la rubrique euh, culture linguistique. Et aujourd'hui, c'est avec ali Il est journaliste. Euh, au studio Kalangu, journaliste traducteur en langue Fulfulde, il nous vient avec le mot concorde. Bonjour Seno, bonjour Rukaya. Bonjour également à nos chères auditrices et auditeurs. Hier, c'était le 24 avril, une journée pour célébrer la concorde au Niger et ce depuis 1995. Vous l'avez sans doute deviné, notre mot du jour en culture linguistique aujourd'hui est la concorde. Ce mot a été expliqué en français, en anglais, en germain et aujourd'hui nous l'expliquons en fulfulde. Niger sur Kalangu, et Monon. laso enayi e lewru avril hitande duuɓi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeenayi e joyi ɗum joɗɗini potal heɓude jonde jam caka gomnati leydi niger e pelle murtuɗe adi kaɓorɗe potal caka himɓe potal caka leñi e leñi potal caka orɗe pelle murtuɗe ɗe endan e gomnati potal gal endan kan indirte concorde nder france siri concorde o duni no laawol heɓude potal noon fewnude erɗe mittuɗe den ne batu nyaloma o enden ni ittanaɗo gam potal gal enden ni no ko miccintina himɓe leydi niger non droit potal heɓo tabbita dow caka mu'en fuɗɗam hitande duuɓi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeenayi orɗe pelli tubu e leñigon adi kaɓorɗe murtude e gomnati leydi niger wakkam laso e nayi lewru avril hitande duuɓi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeenayi e joyi ɓalede congrés ɗo nder huɓere ñamede de endani. gomnati leydi niger e orɗe ɗe e endani ni diki Do, dow ɗereji potalgal e' eko watta duni fa hande potalgal enden sembiɗa chère auditrice et auditeur voilà tout pour aujourd'hui nous vous exhortons également à consolider cette concorde Chers auditeurs, auditrices, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en haussa, en jarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez surtout pas à laisser un mot au 82 89 89 64. Écoutons à présent les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. eh gaskiya ra'ayina dangance da studio kalangu gaskiya abin da suke muna jin daɗi me ni a cikin emission su gaskiya abin da yake burge ni tusu alafa da nan da ake shine yake burge ni kuma sirtu kamar irin yaren da suke sani hillanci wannan mu kaman ban mu je su irin nasu me muna so su rinka sa irin namu na nan difo yanda mu ma za mu je saboda mu ma mu ji daɗi kamar yanda muke kama su haka kamar alin haka yanzu rezon kamar yana da dan problem me muna so su dan gyara harkan satellite din nasu saboda ka san ba ko da yaushe ba mutum ke da mega ba tana a ce shiga ya ji su alin kuma radio kaman satellite din ne tana da dan problem shi ma muna so a dan gyara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana ila kabu kabu garin bana wanda yake da lakani na sauran mamma wallahi ina saurare ko da wani lokaci duk lokaci ina saurare kuma shirin su yana birge ni yana kayatar da ni saboda ina jin daɗin shirye-shiryen su suna hausa suna zamarmanci suna hillanci kai duka da suna yi kuma duk lokaci zuwa lokaci ina sauraren shi to shirin nasu yana birge ni wallahi ina karuwa sosai bisa suna wayar da mu talakawa can mu muna saurari radio ko lokaci na a kai yara makaranta a hankali da ɗiya mata a kyautata musu zuwa ga makaranta wannan shirin yana birge ni akwai kuma shiri wanda aka yi bisa ga harka na shaye-shaye na matasa wannan shirin shi ma yana birge ni akwai shiri wanda suka yi kamar mutum kuma ta yi tsaye da kanshi kai ya ce ko dole lokaci sai an tallafa mishi wannan shirin yana birge ni to shirye-shiryen da nika so wanda ke ni shawa bisa ga a sa 'ya'ya makaranta Ya mata masu yawan yawo na talla su ci gaba da ba mu horon cewa mu uwayen ɗiya da mu ubannin ɗiya da uwayen ɗiya su ƙara gane ciwon ɗiya mata da ake azama sana'a a ƙara tsanantawa ciwon da Allah a daina azama su kasuwanci wannan shirin ina fatan za a ci gaba da yin shi. a studio kalangu alhamdulillah ai munan kwanni akwai wani abokina ma da ya tambaye ne ce wai eh, studio kalangun ga mu taido Allah in kai shi ina na take sai ce ma ayya mai na take ai mu ya da kasan muna sauraron rediyo niyya yau da kullum haka muke sauraron studio kalangu wa'annan mutane babu abin da zamu da su sai dai mu ce Allah ya saka musu da alheri saboda abubuwan da suke kawo mana cikin ƙasa na ci gaba muna jin daɗin program ɗin da suke yi hallau su yi program na hausa su yi fulatanci su yi buzanci duk yaren da kake ji na niger idan kana sauraron studio kalangu alhamdulillah baka da matsala shi ne muke ma wannan gidan rediyo fatan alheri kowane lokaci muna tare da shi kuma muna bibiyar shi ta intanet da kuma nan gidan rediyo niya fm kullum muna tare da studio kalangu duk yawan nan kwanni aza su kai cikin garin kwannina gidan rediyon shike in ba mu da mun ka sani ba a ya mai na shike ina faɗa ma abokina cewa ne kalangu ah take saboda Allah ya saka da Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de l'émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de of Draman et Ali Ousseini alias Seno. À la régie, nous remercions Mustafa Yuba et Adama Dawaki. Et oui, le rendez-vous est pris pour demain avec euh, un autre duo. Sur ces... ciao ciao.